journée 99 noo dalaye ren dafa tombeek ñuy waxtaane turu yàlla bu ñu naan alxakamu le juge yàlla nag mooy le juge nekk juge mu màndu alxakamu te yàlla dafa bëgg nit ñi di atte tey atte ci dëgg loolu alxuraan ak wax bu fekkee ne da ngeen di atte seen digganteeg jaam ñi na ngeen atte ci dëgg atte ci yoon dëgg yàlla mooy alxakamu mooy aj attekat bi mooy al adl dafa am éthique yàlla ak justice ak bil xaq te yàlla day àtte ci dëgg li ñuy joxe rek mooy yàlla def jàmm Sénégal parce que ñun ak xaraka mouvement les serviteurs de l'islam ak ñun ñuy màggal bi si turu yàlla yi ñaan nañ fi Sénégal am jàmm ñu ñaan Sénégalais itam di bay jàmm seen diggante jàmm ak dëgg ñaar yi rek suñ ci doxee rek réew mi dana mën a jëm kanam politiciens yi ak ñu def politique nañu xam ni am nañ droit def politique mais am nañ droit itam Sénégal nekk réewum jàmm ñëpp am jàmm te jàmm loo ko jëndee rek jar na ko yàlla nañu yalla défal jamm té ñu jox euh, askan wi ñuy gëna am yeneen édition yu ñuy mëna waxtaan sur les noms d'Allah parce que gis nga Thiaroye Azur délégation yi jóge Afrique délégation yi jóge Europe mais proposition le comité d'organisation de pour nous faire la cette journée dédiée aux 99 noms d'Allah par coïncidence chaque année on prend des noms pour que ça serve de thème cette année on a pris Al-Hakamu Al-Adl le juge qui rend la justice par équité donc la justice demande deux choses c'est ce que Dieu nous a enseigné la justice plus Al-Adl Al-Adl c'est la justice sans émotion sans corruption sans rien il faut rendre la justice telle que Dieu l'a définie et tout acte qui, s'oppose à faire une bonne justice, cet acte peut amener à des dégénérances, peut amener à des chaos dans un pays. Donc c'est la justice qui amène la paix en réalité. C'est pourquoi, c'est pour cela Dieu a dit dans le Saint-Coran, Dieu juge par la justice et par l'équité. Et nous, on considère donc si le pays veut aller dans un sens, dans la paix, dans l'estabilité, il faut que ce pays, que justice soit rendue. Même Dieu, qui est notre créateur, il est juste et rend la justice par équité. Et je recommande à tout le monde d'essayer de fortifier la paix et la stabilité sociale. Au Sénégal, c'est toujours politique. Politique, c'est bien, mais il faut aussi penser aux autres, mais aussi penser à la stabilité du pays. Et surtout, euh, d'essayer de faire de telle sorte qu'il y ait des cohésions, de la paix entre les politiciens. Ce ne sont pas des ennemis, c'est des Sénégalais qui doivent vivre pour essayer de valoriser, d'améliorer, de développer notre pays. Et ça, je pense que tout homme euh, responsable doit penser d'abord à sa société, à la paix de cette société, avant de penser à sa personne ou à des intérêts personnels.